Mesdames, Messieurs, très chers téléspectateurs, bonsoir à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver sur cette antenne de guédiawaye Aujourd'hui, comme ni ngeen ko nous sommes ngi nii euh, Jazz School Nous nag tey ak professeur boo ne kenn dootu présenté parce que professeur agréé en histoire et de la géographie de son vrai nom monsieur Niang tey moom lañ nar dalal mais ba laataa loolu yéen hein, suivre à direct et en exclusivité dañ leen di wax rek déwénati fekke leen déwén baale leen ñu àq ñun baala leen si koor mais dañuy entrer dans le vif du sujet monsieur Nyon, professeur d'histoire et de la géographie moom lañ taseel tey invité pour que nous a partager les élèves mais monsieur bala je vais vous dama lay wax rek déwénati di et nuyu te di la ziar di bàyyi rek très chers téléspectateurs yi ñuy on nous dit à vous tous et il est important de passer aux choses sérieuses monsieur Fall vous pouvez procéder à vos questions. monsieur euh, les élèves en classe de terminale à plus forte raison élèves nga en L2 coefficient d'histoire et de la géographie coefficient 6 le signum. et toujours dernier problème à propos de cette leçon telle que la Palestine c'est une question que les élèves se posent alors moi j'aimerais bien que tu expliques brièvement le plan de partage de la Palestine ok merci il est important de répondre à la lancinante question de M. Fall comme il l'a si bien affirmé quand on parle de la Palestine, ça fait partie de la décolonisation au Proche-Orient. Quand on parle du Proche-Orient, ce sont les pays riverains de la Méditerranée orientale. Maintenant, le mot Palestine, c'est le nom donné à ces région où vivaient les Philistins refoulés d'Égypte par le roi Ramsès, par le roi Ramsès II. Quand on parle du plan de partage de la question palestinienne, on doit retourner avec la création du sionisme international. N'oublions pas que la persécution des Juifs en Europe a été à l'origine de la création du mouvement sionisme. Le sionisme international est l'œuvre de Theodore Herzl dans le contexte de trouver un asile pour les Juifs, de médiatiser les problèmes juifs afin de trouver une solution. Mais la création du mouvement sionisme sera accompagnée d'une déclaration le 2 novembre 1917. Cette déclaration est l'œuvre de Lord Arthur James Balfour qui était le ministre des Affaires étrangères Mauritanie Arthur Bal Arthur James Balfour avait dit que les peuples juifs de Palestine sont dans l'attente de la création d'un État juif indépendant et reconnu dans le monde. C'est dans cette même optique que lors du traité de Sèvres de 1920, la Grande-Bretagne avait été mandatée par la SDN pour administrer la Palestine. Et la Grande-Bretagne favorise l'établissement d'un foyer juif au sein de Palestine. Donc le sionisme, en passant par la déclaration de Arthur James Balfour jusqu'en 1920 avec la Grande-Bretagne qui avait été mandatée par la SDN pour administrer la Palestine, tout sont pour l'établissement d'un foyer juif. Alors que pour les Arabes, l'existence d'un État juif au sein de leur territoire est perçue comme une provocation supplémentaire de l'impérialisme colonial au moment où les vagues migratoires s'accélèrent du jour au lendemain. Ainsi, après la Deuxième Guerre mondiale, nous avons la découverte de l'Holocauste. Quand on parle de l'Holocauste, c'est l'extermination juive dans les camps de concentration nazis. La manière dont Hitler avait tendance à assassiner les, juifs. Il les mettait dans des fours crématoires, il les mettait dans des chambres froides, il les enterrait vivants. Donc cela pose énormément de problèmes aux juifs à vouloir retourner dans la terre promise. Ainsi, le mandat britannique est marqué par de multiples conflits, parce que la Grande-Bretagne a du mal à gérer le dossier palestinien. Donc, après la Seconde Guerre mondiale, lors de la conférence de San Francisco, une organisation avait été créée, c'est l'ONU. L'ONU avait été créée en juin 1945, dont le but principal, c'est de garantir la paix et la sécurité mondiale, mais prôner le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Donc, le 29 novembre 1947, la Grande-Bretagne a cédé le dossier palestinien à l'ONU. L'ONU arrive avec la résolution 181 qui partage la Palestine en trois régions. L'un, juif minoritaire, et obtiennent la majorité des terres, 55%. L'autre, arabe, majoritaire et obtiennent une minorité de terres, 45%. Et Jérusalem est considérée comme une ville internationale qui abrite trois religions révélées, à savoir le judaïsme, le christianisme et l'islam. Donc, après ce plan de partage, l'Israël c'est profiter de la fin du mandat britannique sous le règne de David Ben Gurion pour proclamer la naissance de l'État d'Israël le 14 mai 1948. Et dès son lendemain, on assiste à la première guerre, qui est la guerre d'indépendance, qui a eu lieu le 15 août 1945, dont nous assistons à la première défaite arabe, qui est considérée comme ce qu'on appelle la NAC.